Nous remercions tout le monde pour votre disponibilité, malgré notre consternation. Et comment ne pas être sidéré en une si triste journée. Et permettez, au nom du collectif des enseignants du lycée de Barkédi, et permettez également au nom du collectif des enseignants de la commune de Barkédi, de bien vouloir solliciter de l'autorité de tutelle et de notre justice en qui nous portons foi et espoir de bien vouloir diligenter le dossier de notre camarade, de notre collègue et professeur d'arabe Abdoulaye Diop Ceci étant, cela fait maintenant deux ans qu'il croupit en prison alors qu'il a eu à subir une intervention chirurgicale du fait de son état de santé dégradant. De manière simplissime, ce que nous nous demandons, c'est à ce que le dossier Abdoulaye Diopfal soit vidé afin qu'il puisse rejoindre et regagner sa famille. Nous sollicitons la justice pour effectivement, sans s'immiscer dans le dossier pendant devant cette justice et sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants du dossier, bien vouloir demander à la justice, sans prétendre connaître ou savoir si effectivement il est coupable ou s'il est innocent, de bien vouloir rapidement lui rendre justice afin qu'il ne soit pas victime d'une longue détention préventive. Permettez également de pouvoir rappeler à certains collègues journalistes et à une certaine presse, je ne parle pas de tout le monde en effet, de bien vouloir revisiter les propos concernant ce qui a été publié sur l'affaire Abdoulaye Diop Fall. Énormément de propos ont été fallacieux et parfois même déformés, car en effet, il ne s'agit pas d'un certain Amadou Diop Fall. Il s'appelle effectivement Abdoulaye Diop Fall. Il ne dispose pas d'une villa au niveau de Barkédi qu'il a eu à avoir en son nom, mais il dispose d'une chambre en location, tout comme nous, camarades, nous en avons ici. Encore moins, il n'a été arrêté au niveau de l'aéroport international Dakar-Blaise Diagne. Il a reçu une convocation personnellement au sein de sa maison familiale, 6 à Donc, énormément de propos ont été erronés et peuvent lui, euh, et peuvent lui porter préjudice. Donc, nous en appelons à ce que notre président se saisisse du dossier pour qu'il soit vidé. Nous en appelons à la sensation et au sentiment du peuple sénégalais. Nous en appelons à la gentillesse de notre ministre de tutelle et nous en appelons également à ce que notre si chère justice, en qui nous portons foi et espoir, puisse vider le dossier. Nous vous remercions énormément. Permettez à mon camarade collègue, M. Sow, de pouvoir tenir ses propos en Wolof afin que l'on puisse avoir ce qu'on appelle une plus grande visibilité sur cette affaire qui très certainement est tragique. M. Sow. Vous avez parlé qui des propos qui ont été erronés. Oui. Que répondez-vous par rapport à certains reçus qui ont été trouvés dans sa chambre qui viennent de l'étranger et vous présentez aussi Encore une fois, encore une fois, nous ne connaissons ni les tenants et les aboutissants du dossier. Nous n'avons que des bribes d'informations qui nous viennent d'une presse. Et quand on voit que parfois ces questions n'ont pas été traitées de manière véridique, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette question. Je n'étais pas présent au moment où, ici, des agents de la sécurité du pays étaient au niveau de Barkidi pour voir s'il y avait là-bas des documents et de quels documents il s'agit, on ne sait pas. Encore une fois, on ne prétend pas que Abdoulaye Diop est innocent. On ne prétend pas que Abdoulaye Diop Fall est coupable. Ce qu'on demande à la justice, c'est que le droit soit dit dans les plus brefs délais pour lui éviter une longue détention préventive. Nous ne connaissons ni les tenants et les aboutissants du dossier. Et nous ne forçons pas la main à la justice. Nous voulons tout simplement que le droit soit dit et que nous soyons édifiés sur son sort et que nous, lui-même et sa famille, soient édifiés sur son sort. Nous vous remercions. Merci. Mohamed Diop bon salam ñu Nous sommes di nuyu di rafetlu seen Nous ñun venus bu boot kat yi ci barke ji yëpp commune barke ji laa bëgg a wax village yi nekk ci environnement bi yëpp ñu ngi bootu ci kurel boobu tey ñoo xëyoon taxaw ñëw fii ci lycée barke ji ngir wax ak peuple sénégalais par rapport ak dossier suñu camarade suñu ñoñ suñu collègue Abdoulaye Diop Fall doon jàngalekat fii ñu nekk ak moom fii ci barke ji di jàngale ba yàlla dogal ñu téye ko mu ngi nekk nekk ci loxo ay yoon ñu ngi koy tuumaal terrorisme waaye nag ñun dañu taxaw tey depuis ñetti weer ba ñeent presque juróomi weer mu ngi ci kaso bi jugé wuñ ko liñ koy waxal am nañ rafet njort ci moom parce que li ñu nekk ndoo ak moom fi yëpp wax dëgg yàlla lu rafet rek lañ gis muy def lu rafet rek lañ gis itam muy wax ku ko seen ay bañam ngay gis donc dinañu jaaxal trop liñ koy tuumaal mu nekk dëgg waaye nag taxawuñ tey pour wax ni moo tooñ wala dañ ko tooñ dañu ñëw fii pour wax justice sénégalaise mu jël dossier bi daal di koy juger parce que loolu droit am la mu ngi nekk ñeenti weer ci prison bi njabootam sonn na jàngal élèves yi mu doon jàngal donc daara yi nekk sama ginnaaw ñu si bari moo leen di ñuy jàng arab am na ñu si def terminal ñam na ñoo xam ne L prime mooy seen mooy mooy seen série et que arabe bi lañ defoon première langue donc coefficient 6 lay nekk ñooñu amuñu prof arabe. loolu jàpp naa ni képp ku dëkk Barkédji wala képp ku dëkk ci région de Louga wala képp ku dëkk Sénégal war nga taxaw ñaawlu loolu. léegi nag li ñuy ñaan mooy justice def liggéeyam nañu jël dossier bi ñu jugé ko dossier bi jeex bu ko defee ñu nekk si jàmm. bu nekké mom mo togn yon dina def liggéeyam bu nekké tooñul nak place am nekul prison parce que am nañ ay information comme comme quoi barki démb rek le génn hôpital dafa doon subir une opération intervention chirurgicale parce que bi muy jógee fii daaw ci vacances commencé woon na mais bi mu duggee kaso feebar bi dafa yok ba dañ ko muju opérer donc lolu yaakaar naa ñun ñep war nañ ko war nañ ko war nañ taxaw jog taxaw tay budul dara sax di en tant que homme en tant que humain war nañ jog taxaw wax ni justice bi na juger Abdoulaye diofal pour bu dee war dafa delu dafa wara a ci ay ñoñam mu delu bu dee dafa war a des mu dess mais ñu juger quand même euh, Abdoulaye diofal bu gon nañ aussi wax ak une certaine presse de la place suñu mbokk journaliste yi amna ci si ñoo am luñ si bind ñaawal na deram ba ñaawal ñun suñu ay der wax nañ ni Abdoulaye diofal tabax na villa bu rafet lañ ko tuddee Barkeeji néegam bi mu amone fi amul planter Abdoulaye Diop Fall mat laa mer gàddu la amoon maa ko sañ a wax donc kooku mënul tabax une belle villa à Bargeji loolu nag bëggoon nañ journalistes ñu xam ñoo ñi ko bind j'allais dire ñu xam ne loolu ça tient pas la route et war nañu revoir leur copie pour que loolu bañ a amati parce que bu ñu waxee loolu te amul ñun sax waxal nañ ñu ko tuumal nañ ñu di wax également ni wa bi ñu njëkkee bind na ne ni Diop Fall la tudd tuddul Amadou Diop Fall Abdoulaye Diop Fall la tudd wax nañ ne 40 ans la am. amul 40 ans 30 ans la am mom moom ñoo maase wax nañ également que ni 4 ans la def barké ji deful 4 ans barké ji ñetti at la fi def ci 4ème année lañ ko lañ ko japp avant muy dugg ci 4ème année donc qu'est-ce qui nous dit lan mo ñuy wax ni lool yëpp ci erreur rejoindre liñ koy tuumaal également lool mo tax ñu né nañ jóg taxaw ñu fexe ñu juger ko bu nekkee deful dara ñu bayé ko mu delu ci ay ñoñam parce que élèves yi soxla nañ ko donc lool mo taxoon ñu dajé fi tay ñu ngi rafetlu vraiment teewaayu ñëpp. Voilà, merci. C'est Dambouch, secrétaire général national du QSEMS Authentique, syndicat d'enseignants. Nous avons une délégation du QSEMS Authentique qui a quitté Dakar depuis hier pour venir euh, ici à Barkedji pour rencontrer la, commune, euh, la communauté scolaire composée de des enseignants, des élèves, de l'administration, donc des collègues tout court. Nous avons décidé de venir participer à cette euh, manifestation publique au sein de l'établissement pour euh, manifester toute notre solidarité à l'endroit du camarade Abdoulaye Diop Les deux camarades qui ont parlé tout à l'heure ont bien fait de rappeler que notre intention ce n'est pas de culpabiliser ou d'innocenter quelqu'un. Mais nous sommes dans un pays qui doit respecter les droits des uns et des autres. Ce qui s'est passé avec Abdoulaye nous inquiète tout simplement parce que depuis un certain temps, nous constatons dans notre pays une volonté de diabolisation de certains Sénégalais pour les traiter de terroristes sous les injonctions de je ne sais quel lobby, alors que tous les Sénégalais savent que rien euh, de tout cela euh, n'a existé dans ce qui, ce qui s'est passé avec euh, les différents procès qui, qui ont eu lieu. D'abord, je dois dire que j'ai passé la nuit à Touba. j'ai été reçu par le Khalif général des Mourites, qui m'a fait l'honneur de résider même à la résidence Khadim Rassoul avec ma délégation et qui m'a réservé un accueil chaleureux. Nous avons dit que nous, nous ne pouvons pas rester bras croisés par rapport à ce qui se passe avec notre camarade Abdoulaye Diop Le camarade Abdoulaye Diop est un enseignant. Ils ont fomenté toute une accusation pour dire que Abdoulaye a construit un immeuble à Barkedji. Ça, ça a été relaté dans la presse. Ils ont dit que c'est quelqu'un qui a des liens avec l'extérieur et c'est quelqu'un qui a des rapports avec des terroristes et c'est ce qui a fait qu'il a été mis en détention. Nous, nous disons que puisqu'il y a une jurisprudence en la matière, parce que comme on le dit, chat chaudé craint l'eau froide. Imam Daou et Sayer ont été accusés ici de terroristes. Ils ont été détenus pendant plus de deux ans en prison. Et lors du procès, moi j'ai assisté à tout le procès de Imam Daou, avec tous les soubresauts qu'il y a eu dans le procès. Ils ont dit finalement qu'ils se sont trompés, qu'ils n'ont rien fait. Donc, est-ce que nous, nous avons donc confiance en des gens qui accusent comme ça injustement des gens, qui les mettent en prison pendant deux ans, qui les libèrent et qui disent qu'ils n'ont rien fait, et qu'on prenne un enseignant qui était dans sa classe, ses élèves l'attendent, ils ont un examen à préparer. Depuis quatre mois, il est dans les liens de la détention. Son état de santé est fragile. Il vient de faire une opération chirurgicale. Nous considérons que tout cela nous donne des soupçons qu'il y a une volonté de museler un Sénégalais qu'il y a une volonté de faire mal, qu'il y a une volonté de stigmatiser une catégorie de Sénégalais. Et ça, personne ne l'acceptera dans ce pays. C'est pourquoi ce que nous demandons, c'est que toute affaire cessante, dans les meilleurs délais, qu'un jugement puisse avoir lieu, qu'on lui donne la possibilité de se défendre. Parce que tout ce qui a été dit sur lui ne cadre pas avec la réalité, parce qu'il est avec ses collègues, ils savent que tout ce qui a été dit n'a rien à voir avec sa situation financière. Quelqu'un qui est ici à Barkedji, qui vit dans une chambrette, on dit qu'il a construit un immeuble, mais ça, ça veut dire que de façon machiavélique, on, on a tenté à stigmatiser une personne. Donc nous, nous avons vraiment beaucoup de doutes par rapport à cette accusation. Nous considérons que l'accusation-là n'a pas été étayée. Et aujourd'hui, s'ils ont assez d'éléments qui ont fait qu'ils l'ont arrêté, ils n'ont qu'à aller au procès. Pour que ces avocats puissent euh, se présenter, qu'ils puissent se présenter, que ceux qui l'ont accusé puissent donner leurs preuves et qu'ils aient la possibilité également de se défendre. C'est ça que la communauté scolaire demande. Je parle au nom des enseignants du Sénégal, au nom des syndicats d'enseignants du Sénégal, parce que nous, syndicalistes, partout où nous sommes dans les différents établissements, nous y allons au nom de tous les syndicats. Maintenant, j'en profite pour dire que puisque l'école est déjà installée dans la crise, nous allons inscrire la solidarité que nous manifestons à l'endroit du camarade Abdoulaye Diop dans les plans d'action. Nous allons demander à l'ensemble des camarades du pays de rester solidaires avec euh, le camarade Abdoulaye, parce que c'est ça notre devoir. C'est un des nôtres. Et quand un camarade est en difficulté, mais on reste derrière lui, on le soutient par principe d'abord, parce que le procès n'a pas encore lieu. Maintenant, notre devoir en tant qu'enseignant, notre devoir en tant qu'acteur du système éducatif, c'est d'être derrière Abdoulaye Diop Parce qu'aujourd'hui, rien n'a été mis sur la table pour prouver donc sa culpabilité. Et au nom de la présomption d'innocence, mais nous, nous considérons que nous, ses parents, nous, ses collègues, nous, euh, euh, sa famille, nous sommes tenus d'être derrière Abdoulaye. C'est pourquoi nous demandons aux autorités euh, judiciaires et même aux autorités politiques et administratives de prendre responsabilité et de demander l'organisation d'un procès dans les meilleurs délais pour, nous, pour permettre à notre camarade de pouvoir se défendre et sortir de cette situation. C'est ça que nous demandons. Sinon, nous allons l'inscrire, comme je l'ai dit tantôt, dans les plans d'action et nous allons exiger sa libération. Parce que nous, n'accepterons pas qu'aucun procès ne soit organisé et qu'on le laisse injustement en prison. Ça, personne ne l'acceptera. Parce qu'on euh, a eu, de par le passé, des cas qui sont passés dans ce pays comme Imam Daou, que nous avons à qui nous avons rendu visite. Parce que Imam Daou, c'est la même chose qu'ils avaient dit sur Imam Daou. Ils avaient dit que Imam a construit un immeuble à Kaola. C'est les mêmes accusations. Ils ont dit que, alors que les journalistes sont allés voir Imam Daou, il vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Son dara n'était pas construit. Il était dans, des, dans une maison très sommaire. Dans une maison où il n'y avait même pas presque de toilette douche intérieure. C'était des ce c'était même pas en dur. Donc nous considérons quand même que tout cela nous fait penser qu'il y a une tentative de diabolisation d'une personne. Donc, comme je l'ai dit, nous restons solidaires avec notre camarade Abdoulaye et nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités parce que le rôle du président de la République, c'est de défendre tous les Sénégalais, où qu'ils puissent se trouver. C'est ça le rôle du président de la République. Donc aujourd'hui, nous avons un Sénégalais qui est en difficulté. Nous ne savons d'où vient cette accusation. Nous voulons que le président de la République siffle la fin de la récréation et protège les Sénégalais parce que c'est ça le rôle du président de la République. Donc, nous, en tout cas, nous serons derrière et nous allons nous battre. Inch'Allah, jusqu'à ce que les droits de notre camarade soient respectés. Effectivement. Il y a Elaj Amadou Sall, qui est son avocat et qui est en train de suivre le dossier. Wa ci wolof nous sommes ci numu gëna gaay wax ni man secrétaire général national bu Cusems authentique dama ñëw fi ci nga xam ne ginnaaw bi ma yëgee li xew sama camarade yi fi nekk camarade Sow woo ma wax ma ko dama ne ko man lépp lu ngeen ciy def bu ma ko yëgee dinaa ñëw teew ci seen wet loolu moom ma fi andi pour nekk ci wetu jàngalekat yi parce que ñun suñu seen du syndicat d'abord mooy toujours nekk ci wetu jàngalekat yi lu jafe-jafe ba mën a mën a métti mooy en en français toujours au service des enseignants loolu mooy sama rôle ma ne ko bis ngeen jàppee loo xam ne yëkkati ngeen ko pour jëmale ko ci loolu bu ngeen ma ko yëgalee incha allah dinaa ñëw yàlla dogal na ko bi may ñëw jaar naa Touba falaa fanaan sëñ Muntaxa dalal ma ma ziyaar ko mu jox ma sax man ak sama délégation possibilité ñu fanaan ci résidence Xaadimu Rasuul ñu berndeel ñu comme ni ko Touba defale gan gu noo mën a am ñu xam ma it nag ci xeex rek dëgg ku ma xam ma ci loolu nekkuma ci leneen xeex dëgg rek moo ma tax a jóg man fu ma dem ci dëgg laay taxaw parce que lu dul dëgg du ma ci ànd léegi nag sunu camarade bii tudd Ablaye job fal moo nu fi tax a ñëw parce que nit boo amee sa nit sa mbokk bu nekkee ci jafe-jafe da nga koy jàppale loolu la ñuy def parce que képp ku fi am sa mbokk mu nekk ci jafe-jafe da koy jàppale jàppale wun nag kenn pour wax ne deful dara mais am nañ droit ni comme téye nañ ko te tegagun dara ci suñuy loxo luy wane liñ koy tuumaal moo ko def kon nan gaawal procès bi pour que moom mu mën a setal boppam ay avocat mën na ñëw taxaw défendre ko moom mu défendre boppam ñi nga xam ne am nañ luñ koy tuumaal ñu teg ci table ji lu sénégalais yi mën a gis loo xam ne mën naa tax ñu mën ko faa téye ci prison bi waaye depuis le 21 août ñaar fukki fan ak benn ci weeru août ba léegi mu toog ci prison bi kenn attewu ko mu and ak febaram ba barki demb la opéré ay ay élève am toog nii di xaar sen baccalauréat pour sen maître sen professeur arabe war leena jangal jàngal ndaxte ci ñom matière bi ëpp doole bi ñu jël arabe la té mom mo leen di jangal kon ñun japp nañ ni li wërta nek lo xamni ni dañ ko wara ñakkal fayda lool mo tax ñu ni olof dañ ni ku ndobin sa lu daw danoo gis barki Demba Ndiaye yàggul ñu tuumaal fi imam Ndaw ak seer ni ñoom kebe ni ñoom danoo dañ leen a jiiñ ni ñoom ay terroriste lañ ñu jiiñ leen ko senegal tëj leen ëpp ñaari at dem ca procès ba man mii maa nga fa di ko renvoyé ka renvoyé waat ba mu neex leen ñu ni non danoo juumoon deful dara bàyyi ko mu ñibbi te imam Ndaw moom ñu jiiñoon ko comme lii nu jiiñ tey Ablaye Diop Fall daan ne woon Imaam Ndao daa tabax immeuble bu mag ca kaw Kaolack journaliste ya dem seeti fa mu dëkk gis ne as bu xus ndaw la Imaam Ndao dëkk fa mu amul sax ay toilette daara jam am daara ju ndaw la ay zinc moo fa nekk ñu ni kon kay kii tooñ nañ ko ñëpp gis ni kon ay tappale moo la loon lool ñu nga xam moom lañ taqaloon Imaam Ndao ba tey yàlla setal na ko ñëpp xam ne dañ koo tooñoon Sayer Kebe daanaka dof na fi mu toll nii te as gor mën ku koy toroxal kon nak ñun lool bu fi jaaree ci sunum réew ñu gisaat ab jàngalekat boo xam si ñii liggéeyandoog moom nee nañ mos ñu koo gis mu yore lu nuroog alal parce que ñooñ ñuy tiñ tuumaal ni ay terroriste lañ yëpp foo leen fekk ñu ngeeg alal waaye koo xam ne yow néeg ba nga dëkk ci ci biir barke ji amul sax fenêtre yow benn puqusum néeg nga am comme sa morom jàngalekat yëpp ndaxte jàngalekat yi moom dañ leen a ndóolal a ndóolal ba dara waaw léegi ñu ni kooku léegi moom daa yore alal ndaxte daa non soupçonné ne mi ngi jot ay xaalis ndaxte moom est-ce que nekkul ci ay réseau terroriste loolu du ay tappale olof yi dafa am wax dañ ni xaalis mënta nëbbu képp koo gis moom xaalis day feeñ ci moom képp ku ñuy wax ne am na alal boo ko xoolee jàkk xam ne kii yor na xaalis xaalis moom mënta nëbbu boo yoru ma dara dañ koy xam kon nag ñun li nu jàpp mooy sunu xel teey na comme suñu xel tey na ndax ñi muy liggéey ndoon ñëpp gis ñu benn yoon mu def lu nuroog affaire terroriste mos ñu koo gis muy wooye élève di leen dugal ci lenn loolu lañ wax ñoom ni ñoom gisuñu ko am nañ ci droit mos ñu koo gis mu def lu nuru loolu léegi nag ñu wax ci ne dem nañ sax jàppi ko aéroport ala ko loolu du dëgg am na immeuble bi wax naa ko ñu dem fekk ko ca jandeer jàpp ko ñu ne aéroport lañ ko jàppe ñu ni fii am na fi lu ne alors que ñi mu fi nekk ndooloon gis nañ ni li ñu wax noon ci moom du dëgg waaw kon ñun kay sunu devoir mooy taxaw ci wetam jàppale ko ba noppi nag ne nan gaawal procès bi buñ bëggee jàmm bun gaawul lool nag ñun jàngalekat yi daan nekk ci ginnaawam comme grève bi nag door na ba juróom-ñetti fan yii jëm ak juróom-ñeenti fan yii nu jëm ci mois de décembre jàngalekat yi du fas fas xañ ak moromam dañuy def débrayage le 8 décembre dem grève totale le 9 décembre loolu la jàngalekat yi des de Sénégal léegi nag bu ñuy xeex daan ci boole daan ci boole daan ci boole ni nan woo daan ci boole daan ci boole ni nan woo sa euh, sunu sunu camarade Abdoulaye Diop Fall pour ñu àtte ko daan ko ci boole ci grève bi daan ko ci boole bu ko defee ñu respecté ay droit am parce que droit am mooy nit boko téé droit am nga atté ko kon nak daan ko bolé ci xéx bi ci grève bobu nga xamni juroom ñetti fan ci wéru décembre bu 9h jotee kat di daan génn ci classe débrayage juroom ñenti fan ci wéru décembre kenn du fasté te xànc ak moroom kat du ñëw ci école légui nak ñi nga ngi ñu ngi yëgle ni falaay daane la li ñuy wax nag teg ko ci mooy ñu may ñu daaneel li may wax léegi nag mooy kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk yoon ci réew mi ak kilifa gi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp muy président de la république ndaxte ñu nga xam ñoo ŋànk yoon dañ leen di xamal ni jot na ñu xam ni adduna bi li fi xew di diaboliser benn catégorie nit. réew yu ne ñu ko fay def war na ñoo fexe ba keccat ci Sénégal parce que ñun Sénégal réewum jàmm lañu loolu mooy dëgg mënuñu toogee ba jaag rek ñu tuumaal nit as gor soo xam deful dara nga tuumaal ko am neex la nga bàyyi ko mu ñibbi këram yàq dara te dañ ko fay gis mu am kon nag suñu xel ma naa tee léegi nag li ñu bëgg mooy ab euh, le président Macky Sall mi nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu président te moom li tax ñu fal ko mooy mu yiir yërëm aar sénégalais yi kon ñu xaar ci dossier bii président Macky Sall mu ngir yàlla mu yërëm Abdoulaye Diop Fall aar ko ndaxte sénégalais la am fi ay mbokk juddoo fi màgga fi jànge fi ba nekk fi tey jàngalekat kon na nekk ci ginnaawam jàppale ko ndaxte tey jii kum doon sa mbokk tey doo nelaw boo tëddee doo nelaw kon nag ñi ngi président Macky Sall mu aar sénégalais yi lii nga xam ne moo dal ci sunu camarade bi danoo bëgg mu addu ci bu ko defee ñu gaawal dossier bi bañ koo tëral foofee ba noppi ay mbokkam duñu xam ci li mu nekk mu nekk ci ay jafe-jafe loolu jàpp nañ ni jaay doole la te loolu baaxul ci réew mi kon nag ñun li ñuy bëgg mooy ñu ut jàmm ci réew mi parce que Sénégal réewum jàmm la yàlla na jàmm ji yàgg